maudit euh, la gamme match bi jeexee mhm. euh, trois 3 buts à deux ñu bëri sax euh, Sénégal la Guinée. ah eh, gis man de maa ngi doon ah. ñu doon zappé maa ngi yow ñoo ko doon seetaandoo <laughs> des fois ñu dem Cameroun Gambie des fois ñëwaat Sénégal. ñëwaat ñëwaat match bi neexoon na trop euh, neexoon euh, trop. Euh, am na benn moment sax jàppoon nañ ne Gambie day ah. mm. mais malheureusement pour suñ mbokk suñ mbokkaa Gambien yi. alors Cameroun yi ñëw à l' expérience ñu leen ci ci lañ leen gagné daal di qualifié. alors Cameroun aussi il faut ñu def nak si remontada yi nga xam ni tam doo koy def la Gambie et Euh, sorte de la compétition pour yao avec la euh, peut-être avec la tête haute ou wala comme mhm non Guinée Togo Guinée Togo autant que pour moi euh, c'est-à-dire euh, Cameroun ak Gambie exactement. Cameroun euh, mën na qualifier Cameroun mën na qualifier parce que il a 4 points. Mhm. mais la Gambie donc mi ngi dem mais mais aujourd'hui. la Gambie est éliminée demam mais quand même demam demam avec la tête. ah franchement voilà donc par rapport la situation Cameroun donc aujourd'hui ils ont fait des des choix forts voilà bi nga xamé ne dañ jël euh, <laughs> euh, Onana. teg ko ci Onana ko ci bi. Mhm. donc là il faut être vraiment audacieux. Mhm. Euh, pour le faire et mhm. je pense que peut-être aussi. Euh, jox na coach bi satisfaction parce que on en a depuis bi mu nekkee sélection mhm. euh, dañ koy critiquer même soo xoolee euh, contre le Sénégal ñu naan am na but yoo xam ne jël comme le troisième but le but de Sadio Mané waru ko jël tu vois donc mu jël yenn yenn joueurs yoo xamante ne da leen teg si banc bi defaat quelques changements tactiques d'accord accord voilà donc apport indi yenn joueurs yi jël yenn joueurs yi teg leen si banc bi donc ñoom aussi mm. dañ dañ soxla woon victoire mm, mm. comme Gambie dafa soxla woon victoire pour mun euh, sauver Kanam mais mm. également pour espérer qualifier mm. pour espérer qualifier parce que su amoon 3 points mun na mun na qualifier parce que instant yi nii euh, soo xoolee posture position Côte d'Ivoire. Hmm. moom euh, je pense instant 3 euh, points moins 3 moins 3 goal voilà moins 3 mais ba mëna qualifier parce mhm. que 4 3e ñom ñoy qualifier mhm. té so xolé euh 3e yi mhm. ay 2 points 3 points Comme le Ghana tu vois Ghana a 2 euh, points donc le euh, Cameroun il fallait que mu gagne su gagné gul won donc vraiment ça serait euh, catastrophique des illusions les donne pour ñom vous bu melni Cameroun nga ñëw ba Coupe d'Afrique ñu né euh Sénégal gagné d'accord c'est le champion d'Afrique kum gagné Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord tu prends euh, tu prends note mm-hmm. leçon les dons si on expérience les dons si mais de bi la montagne. carton rouge man damay si non euh, c'est-à-dire euh, Cameroun nous on a tout fait mais Cameroun mon moo on gagner parce que mon euh, ñun avons amoon carton rouge nous avons une supériorité numérique d'accord cest à dire match bii ni ni ni nii su ko Cameroun gagné wuloon dina métti si moom trop mhm. te Et il Rigobert Songo, fa lay jaar ñu dàq ko mm. certes Eto'o bëgg na trop on euh, ils ont partagé la même génération mm, mm. les années 2000 2002 et tout ça mu ñëw indi ko am confiance mais avec euh, voilà le critique ou bien les critiques de tout un peuple vraiment je ne pense pas que dina dina ko résister quoi pour mun voilà donc maintenir à la tête de mais quand même, euh, euh, la poule, voilà, euh, le groupe C, c'était bien un groupe déterminant. C'est ce que je compétition avec quoi qu'on puisse sûr. effectivement, parce que si on le groupe il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, il y a aussi mm, mm, mm, la Guinée, des habitués voilà, donc, de, la, la Coupe d'Afrique, mm-hmm. de la compétition. Mm-hmm. Donc, ce n'était pas évident. Mm-hmm. Donc, l'équipe Bundaobi, contre la Gambie. Et Gambie, ça, c'est un entraîneur de japonais. Euh, Sénégal moo fay équipe bu mag ak tuuti euh, ak tuuti kii comment dirais ak tuuti Cameroun. mais ñoom ak Guinée ñoo tolloo moom dafa jàppoon day dóor Guinée. Mhm. Sénégal mun na ko dóor wala mu ñëw. mais loolu la ñëpp jàppoon. waaw ñoo loolu la ñëpp jàppoon loolu la ñëpp jàppoon. mais quand même euh, quand même euh, ils ont raison. Mm. parce que soo xoolee Gambie depuis quelque temps. mu ngi progresser mu ngi mm-hmm. évoluer ñu ngi am confiance et ñu ngi am des victoires yoo xamante c'est des victoires de prestige donc amoon nañ raison tey jii nii ñu ñëw voilà gëm ko. et mm-hmm. je je ne pense pas que aussi désillusion la. Mm-hmm pas euh, Ils n'ont pas, ils n'ont pas démérité. Justement. Hein? Donc ils sortent avec la tête haute. Voilà, voilà c'est pas une grande déception. Okay. Euh, tout simplement, Binga Khamantin livré non côté euh, face à la Cameroun, hmm. il s'est soldé par trois buts à deux, nous mhm. euh, motiver également. Mhm. dina donne ces matchs de référence justement. bien sûr que c'est match de référence. tay jii ni su nekkoon premier match bi ni lañ commencé la compétition avec la Cameroun. c'est mhm. un match de métier. C'est parce que c'est un match de référence. Et bu nekk day am ben match de référence, mom moy sa match de référence. mom ngay si ngay pour justement évoluer. et euh, voilà donc apporter des changements yo xamante ça serait euh, voilà ça sera aussi bénéfique. alors ça sera bénéfique exactement alors donc et toutes les équipes ça va Cheikh euh, mhm. si cher li nga xam que compétition parce que quand bi daf ñoo révéler lu am solo mhm. di li xam nekk équipe bu mag amatul mais plutôt respecter ses adversaires. ak aussi xam exactement ana naka ngay aborder ak mom waxon naa la ko sànq la sànq équipe bu ndaw amatul boo euh, euh poule A bi hmm. ku ci mel Côte d'Ivoire nek fa Nigeria nek fa ben équipe bu Guinée équatoriale ñëw daal di nekk en tête hmm. xam nga kon kon nga xamné surprise amna fofu Cap Vert aussi tamit pareil jitu ci poulam ci poule bi nga xamante Égypte cette fois champion d'Afrique mi nga fa Ghana quatre fois ou cinq fois champion d'Afrique aussi tamit kan nga xamné équipe bu ndaw amatul ñun euh suñ match ak euh, comment dirais ak Gambie mais vrai que dóor lañ leen 3-0 mais mais yombu contre Guinée pareil équipe bu ndaw ci bopum fallu mo amatul hmm. fépp nak ci monde bi ah. <laughs> <laughs> les équipes nationales exactement ah alors nous nous taxaw aussi projection c'est-à-dire hmm. euh, Sénégal euh, jàll na si e de finale yi sûrement nous croiser avec le groupe je pense euh, le groupe A exactement alors euh, huitième de finale et aussi la suite lan ce si daal di war concrètement mais est-ce que forcément groupe A la war la Ou euh, le troisième du groupe A wala le l'autre groupe Nigeria, je ne sais quoi non nigeria avec avec comme moo jël suñ poule Guinée nigeria Guinée nous affiche Bob Mom, Bob Mom, l'air leer Bob ma Guinée deuxième groupe A ak deuxième groupe C donc deuxième groupe A. non euh, premier groupe C. Mm-hmm. ak troisième groupe euh, groupe A. Non là, non la waaw ça dépend ci ci ci qualification nañ xaar nañ <laughs> xaar rek fii ak fii fii ak match vingt heures ak match suba yi ñu euh, xool ba xam. effectivement. Ah. Mm-hmm. mais Nigéria danger la de. non Nigéria non Nigéria nous mënuñu ko affronter huitième de finale. nous mënuñu ko affronter huitième de parce que moom moo mm-hmm. jël deuxième poule nous ñoo jël premier suñu poule. Mm. mais par contre peut-être nous allons déjà Algérie mën nañoo daje ak Égypte bu fekkee génn. mais Algérie aussi ah euh, les match lay doon de match la comme yenen match rek sans doute euh, se renaître franchement. match la comme yenen match rek te en plus revanche lay doon parce que ñëw nañ fi barki dem mooy jaay fekk ñu hmm. suñu stade gagné ñu met nañu torom nag. c'est ça mhm. donc euh, premier groupe c'est troisième groupe moo nekk noonu si suuf. premier groupe c'est alors euh, pour euh, projection hmm. exactement euh, lan la xaar en terme de dolli yokku tere dolli ñeex ah. effectivement parce que là c'est c'est les huitièmes de finale. et les huitièmes de finale également am différence par rapport à li nga et premier tour. Hmm. parce que non il y a plus de calcul d'accord tu gagnes tu passes d'accord donc hmm. euh, li probablement mën avons am Sénégal Côte d'Ivoire. c'est ça loolu normalement c'est Côte d'Ivoire. C'est ça c'est affiche terminé Côte d'Ivoire Moi, moi, terminé troisième je pense que il mooy le troisième euh, c'est possible voilà donc par rapport à euh, la projection yi Wara def. pour les voilà pour les pour les huitièmes de finale ça ne sera pas des matchs faciles hein, parce que dormu mu toog la dóor da ngay tek comme niñ koy waxé mhm. da ngay tek jeexal li nga am ngay tek y' a plus de voilà de négociations ou bien de calcul. tey on a la chance euh, de jouer euh, notre match donc il y a des il y a deux journées qui restent avant euh, les huitièmes de avant huitièmes de finale premier tour il dit autant pour moi. Mhm. tey ak ak suba gannaaw xaw ma am na amul suba lay voilà suba suba lay jeex mm-hmm. donc on on aura encore quelques jours mm-hmm. donc dinañ mëna reposer wu mm-hmm. euh, gën a mën a aussi euh, taxawaay yi parce que du yombu surtout so dalee si euh, la Côte d'Ivoire mais la Côte d'Ivoire un adversaire un adversaire double da fay da fay tek jéxal voilà justement non waxna naa la ko le Sénégal c'est l'équipe à battre nous sommes champions d'Afrique. Hein. mais attention euh, ah. parce que c'est le pays c'est ça sera un adversaire double euh, sur euh, le terrain. et sur les gradins. attention Côte d'Ivoire. mais y avait beaucoup de monde plus de 40 mille personnes pourtant Guinée il faire très bien. Ah, ça ne sera pas.

pour moi, vraiment vraiment mm. euh, au moins parce mm-hmm. que coach subi la signé a demi-finale Jean-Louis au moins mm-hmm. demi-finale l'enco a signé Lola a comme objectif demi-finale au minimum donc au Teji, ni ni ni moi une seconde chance atteindre les huitièmes de finale. Je mhm. pense qu'il va faire des choix forts mhm. pour Mouna, ne serait-ce que hier de demi-finale, bon, Hamantini, Moumlin, signé. Et je ne mhm. pense pas que même sous demain, bon, hier de demi-finale, bon, qui après, nous reconduire à la tête euh, de l'équipe euh, nationale de, la Côte d'Ivoire. choix, c'est choix, C'est des choix, mais c'est-à-dire, c'est évident parce que si tu n'as pas si tu n'es pas vraiment <laughs> euh, un coach aussi charismatique un coach aussi euh, fort par rapport euh, voilà donc au choix ça mhm. sera difficile je rappelle sur le Sénégal en 2000 en 2012 c'était comme ça à Bata. Mhm. biñ demee lan lañ def. Mhm. trois matchs trois défaites. Mhm. avec lan. ñetti 2 1 ñetti défaites 2 1 2 1. te Bob non. kan moo ñu ëppoon ay joueurs. côté attaque côté milieu terrain côté défense. nga Moussa Sow waay ay Moussa Sow ay. Euh, ay j'en passe. mais après lan lañ amoon problème de coaching lañ amoon Amara Traoré. xamuloon yan joueurs lay teg. parce que joueurs yëpp ñoo doon cartonné seen équipe ay ñom Demba Ba ay ñom Moussa Sow ay ñom Papis Cissé. joueurs yëpp c'est la même chose avec l'équipe ivoirienne. Mhm. Il a Zaha récemment avant il a fait euh, un triplé. Mhm. pourtant dañ ko jëndee ay joueurs yoo xamante ne dañu yaakaaroon ne ñoom ñoom ñoom ñoo tane. donc Côte d'Ivoire tey jii nii problème boobu noonu la am problème euh, problème de choix. Mm. Euh, problème euh, vestiaire. Mm. loolu noonu ça arrive à tous les à toutes les équipes. te aussi te aussi seen attaquant vedette aussi tamit dafa blessé. Sébastien Aller. Sébastien Haller. Mm-hmm. Mm-hmm. donc moom aussi amul chance pour pour mën a bokk ci compétition bi. mais man li may wax ci côté boobu noonu ci point bii nii et que Côte d'Ivoire nañ ko bàyyi xel. Nous ko bàyyi xel bu a baax su situation bi mu ni nii dinañ euh, motiver mm. ah là on a une dernière chance donc c'est une chance à saisir mm. c'est une opportunité à saisir duñ ko bàyyi tu vois donc parce que je nañ pas ay critiques yu bëri soo xoolee mm. euh, bi euh, supporters yi c'était la déception totale c'était la déception totale c'était la déception totale donc faut dem voilà ñu ngi euh, ñu ngi kaas ñu ngi wax lu nekk ci côté coach bi ci côté même si jori jori amuñu amuñu engagement amuñu volonté bëgguñu mayo bi tu vois donc loolu non yëpp euh, dinañ ko mm-hmm. baye xel. en tout cas daal dafa tel man bëgguma ñu dal ci Côte d'Ivoire parce que dañ jógee ci 3 matchs derby. waaw mais mam Cheikh également mën nañu am benn <laughs> équipe bu nooy rek ñu jaar ci moom jàll. mais pour être quart de finale wala demi finale pour être champion il faut éliminer les champions. so xoolee dès le début da ngay croiser ay champions tey jii nga am Côte d'Ivoire nga tel ko éliminer nga am keneen nga. Euh, mais day metti de. Ouais, mais ça. Bon, enchaîner nous des méthodes. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Pour être champion, vraiment, il faut éliminer les champions. Elle le Real Madrid en Ligue des Champions. Ouais, mais c'est ça. Éliminer Paris, Chelsea, City, Liverpool. C'est ça. Taïdjini, même, même, même, même, la, même la Guinée équatoriale hmm. ou bien le Cap-Vert, hmm. euh, euh, ils, ne sont plus euh, de, petites, de petites équipes. Mm. Ils sont collés, euh, parcours Bindef, Axen Victoire, hmm. de prestige. sur le nez Euh, dinañ yegg demi final wala quart de finale doo ko weddi mm. doo ko mm. parce que wane nañ loo noonu wane nañ collectif boobu noonu mm. le football c'est un jeu collectif donc so un collectif jarul am des des joueurs de renommée ay voilà donc ay tour il suffit juste nga am collectif avec euh, vraiment euh, des joueurs expérimentés des joueurs de voilà de volonté avec beaucoup d'engagement merci beaucoup en tout cas c'était le décryptage justement d'après match euh, la Guinée euh, et le Sénégal exactement donc le Sénégal a crucifié la Guinée de 8 à 0 merci beaucoup Je lay remercie. bu baax waaw Fatou euh, Fallou. Mm. autant pour moi. Mm. Euh, maa ngi rafetluwaat bu baax ànd bi ànd di di ànd yéen saa rek di nuyu tamit Assane sama sama chroniqueur mag bi comme lay wax rek non décrypté rek lay def les <laughs> les meilleurs maa ngi nuyu ñëpp ah, képp ku ñu seetaan rek di nuyu nag euh, sama benn jaboru mag. Mm. maam jaara tin waaw daf ñuy daf ñuy bàyyi xel saa su ne mu ngi may envoyé message nii rek moom moom daf may daf may dooleel saa su ne quoi. Ah. chapeau à toi. jaajëf hmm. merci beaucoup ñu plaisir koy ziar bu baax a baax euh, merci beaucoup justement euh, Mam Cheikh merci beaucoup si Assane ça a été un plaisir de la dalal internet yi yéen ñaa ñu leen réclamer à chaque fois que le Sénégal joue ngeen toog fii décrypter li nga xam nekk moo justement affiche merci beaucoup ñu lay mhm. merci beaucoup euh, Fallou ñu ngi kontaan bu baax baax merci également.